Assalamu shirin Dans notre fada installé à l'université Moumouni ce soir nous allons parler d'un sujet encore d'actualité. Il s'agit des perturbations liées à la fourniture d'internet au Niger et son impact sur les activités des jeunes. En effet, depuis mi-mars 2024, des perturbations de la fourniture d'internet se font sentir un peu partout à l'est et à l'ouest du continent africain. Pour ce qui est de l'Ouest, il s'agit de quatre câbles sous-marins coupés selon un communiqué de Brand Consulting Service, une société de services en ingénierie basée en RDC. Le Niger, à l'instar de plusieurs autres pays, subit et continue de subir ces perturbations. L'une des branches les plus impactées, c'est surtout les activités de jeunes qui travaillent en ligne, le commerce en ligne, les influenceurs et bien d'autres. Et pour en parler ce soir, euh, nous avons invité Ibrahim que vous connaissez tous sous DJ Metinga. Bonsoir. Bonsoir madame. Ya, ya ne Ibrahim Au micro de Ibrahim. Yo To barka da zuwa cikin fadar samu. Et nous sommes aussi avec Mamadou Labo Seidou. Il est programmeur, informaticien, entrepreneur. Il fait du commerce en ligne, le B2B. Mamadou barka da zuwa. Euh, barka da zuwa hajiya muna lafiya ku alhamdulillah À la technique nous avons Abdoulkader tumbiano sauraron mu yau a cikin fadar tam da ta yada zangwanan tsakar filin University Abdu Mummuni. Za mu tattauna kamar yadda kuka shi akan matsalolin da masu aiki da yanar gizo internet suke fuskanta ko ma in ce suke ci gaba har yanzu da fuskanta sanadin wasu matsaloli da suka taso waɗanda ba iya kasar mu kadai suka shafa ba. Tare da bakin namu na maraicen yau mun keɓe fannoni guda uku waɗanda za mu tattauna a kansu. Nous allons d'abord parler de l'impact des perturbations sur leurs activités, ensuite de la situation s'est-elle améliorer ou pas et enfin de comment ils se sont adaptés. Dans la première partie de notre émission, je vous propose l'impact et la perturbation et je vais commencer par vous Ibrahim. Vous êtes influenceur, vous avez une page qui compte beaucoup d'abonnés. Combien d'abonnés vous avez euh, Actuellement, ma page Facebook est à plus de 171 000 abonnés et mon compte TikTok est à plus de 180 000 abonnés. kana amfani da yanar gizo sosai yaya ka ji da waɗannan matsalolin na intanet eh, kun samu mutane da suke bisa kan yanar gizo kwarai eh, cikin abun ga journée guda hakan ga 24 ni ina iya ce kama ina ina yi connecté kama 20 heures dans 24 heures kin gane kuwa donc ça veut dire que muna bisa eh, yanar gizo kwarai e muna yi activité da dama abu, abubuwa da dama parce kaman kamfani ne ni ni yanan gizo gizo na doke shi ne kaman kamfani na parce que wasu abubuwa ina samu wasu kadan ina samu mm. Donc voilà, quelqu'un qui est sur l'internet presque 20 heures sur les 24 heures, voilà, qui fait ses activités, qui vend des trucs, et qui propose des trucs sur internet, c'est pas du tout facile quand la, la connexion n'est pas normale. Mm-hmm. Mais, le, métier d'influenceur on va ouvrir une petite mm. parenthèse pour permettre à nos auditeurs de comprendre. Mm. concrètement. Euh, l'influenceur ça a beaucoup de définitions. Selon moi, je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas encore influenceur, mais je suis un gestionnaire de page, je suis un créateur de contenu. Mhm. Je suis présent sur les réseaux sociaux parce que j'ai du contenu sur, mes, sur, mes, sur mon compte et sur ma page. Je fais, j'anime un micro-trottoir, j'anime des émissions, j'essaye d'écrire des, des, trucs qui peuvent réellement attirer l'attention des followers. Mhm. Euh, un influenceur, je peux dire que bon, voilà, c'est quelqu'un qu'on écoute. C'est quelqu'un quand il parle, on l'écoute mm. positivement. Il peut y avoir un bad influenceur aussi, quelqu'un qui influence négativement des gens. Mm-hmm. Donc moi, euh, je peux dire que je suis un créateur de contenu parce que j'ai créé des contenus. Donc c'est un peu ça. Effectivement kwarai kuwa madalla zan komo <laughs> wajenka yanzu barin karkato wajen mamad mamadu kai za ka iya kwatanta masu sauraron mu me aikin ka kuma ta yaya wannan matsalolin da suka shafi yanar gizo suka shafi aikin naka deja c'est une activité ok Et une activité génératrice de revenus donc euh, on considère ça comme toute autre activité qui peut apporter quelque chose donc euh, c'est à la différence que cette activité ne peut être possible qu'à qu travers l'internet donc euh, euh, on fait soit des achats et on propose aussi des activités de notre expertise aussi en ligne. Comment kamar cinikayya pas ce wace tu as gani à ma internet ce ke ba da damar a yi ta. Voilà, comment je, bon, je donne un exemple par exemple. Eh, a nan in kina les ki qui ciniki ai dole za ki ta ki ta shago ki ga in kin ga kayan da kike so shago wanga kaya nawa yake ku un ya y miki ki bashi kuɗi an raba ko mhm. bon c'est le même processus à la différence que à c'est l'internet qu'il y a donc et la boutique peut se trouver en Chine en Amérique en Allemagne ou en Russie tout dépend donc il faut maintenant correspondre avec le client ou le fournisseur donc forcément il faut l'internet et faire les achats et la transaction aussi qui doit aussi suivre il faut pertinemment, nécessairement avec la connexion Internet. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc s'il n'y a pas la connexion à Internet, ça veut dire que l'activité est bloquée. Eh, aikinka baya yi a lokacin da aka samu karancin shigar yanar gizon nan ko da yake yanzu ma har yanzu ma akwai matsalolin nan ko akwai su akwai su to kamar yaya ne kai kai ka samu wata isu daban ko ya kake yi ya tu t'es débrouillé comment Tôt. Euh, quand il n'y a pas l'Internet, là, c'est toujours un problème. Euh, mais comme on est des êtres humains, il faut toujours s'adapter à des situations. C'est vrai, il faut maintenant attendre quand peut-être à des heures un peu tardives où on pense que la connexion est un peu forte. Et pour faire ces transactions, dans le cas échéant, on, sera obligé vraiment d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait la connexion pour euh, continuer à faire les actes. Ce n'est pas facile de faire ça sans Internet. Bien que maintenant, si vous vous êtes renseigné, l'accès à l'Internet est devenu un droit fondamental. Donc sans la connexion, je crois que ce n'est pas possible. Maintenant, euh, vraiment, la connexion est devenue euh, comme un quotidien. Hein. Ça fait partie de notre vie intégrante. On ne peut pas... En tout cas, c'est très difficile quand même me vivre sans la connexion je crois que ina iya ce ma internet kamar ruwan sha ne yanzu ba ba ki iya zamna duka ini baki sha ruwa ba in ba imba ba kin gane ko kenan gunta azumi ne aka sa talma mutane sun saba da internet kamar eh, eh, abinda ya yanzu akwai mafi yawa par exemple des gens avec qui vous travaillez avec qui vous faites du commerce da suna da lambanka ka gane an muma in babu internet au moins si la personne a ton numéro yana iya tuntube ka ya kira ka bisa kan namba u wanda sun san inda kace za su iya zawa amma wanda kawai bisa internet kuka juna kuna kuna yi saide saide kinku ça, ça va être très difficile mutum ya san inda kuce voilà quoi Donc, euh, il faut forcément la présence euh, de l'Internet pour que transaction transactions eh, bah, soient banquier. et imba internet ba c'est <laughs> donc kudin ki an baki albashin ki in babu internet kina ah, iya bah, ah, eto to quoi gane kwa to Ibrahim ka a wannan lokacin ya kaji avec des histoires concrètes on veut que vous nous racontiez comment vous avez subi ou comment vous continuez encore à subir ces perturbations et nous on a des contrats avec des entreprises, on a des contrats <laughs> avec quelques personnes où on devrait faire de la publicité pour eux. Euh, vous voyez, non Maintenant, on n'avait pas l'Internet. Heureusement que eux, ils ont compris que c'est un truc général. Et voilà, ça a bloqué nos activités. Parce que euh, oh, le partenaire n'a pas eu sa visibilité. Le partenaire, peut-être qu'il a perdu des clients. Et voilà, nous aussi, peut-être qu'on a perdu aussi quelques sous qui devraient rentrer. Parce que quand tu es constant, tu es actif sur Internet, il y a des gens qui t'appellent. J'ai un tel produit que j'aimerais que ça passe sur ta page. Voilà, tu me fais ça à combien C'est des entrées quoi. Mhm. Mais on a pu gérer Hakanga. Mais le jour où l'Internet est revenu, c'était un soulagement. Et on a repris les, activités quotidiennement. Mais ça m'a pas empêché quand même de, de continuer, de, créer des contenus. Bon, parce qu'on était, on faisait rien, mais on, fait, on, crée des contenus. Mais quand l'Internet est revenu, oui, on a diffusé comme ça. Donc c'est un peu ça. C'est Mamadou Saïdou. Mamadou, Kekuma, concrètement, il y a a lokacin da wannan intanet kin ta ɗauki kwanakin baya eh, tare da misalai to hajiya kama si vous prenez notre cas mu ça ne va pas trop avoir d'impact mais plutôt de nous retarder dans nos dans nos activités mm. kama yanzu abin da ya kamata a ce kayi yanzu dole sai ka jira ya har wani lokaci can wanda connection in ta dawo sai kai in ba haka nan ba sa sarrafa possible abun ne wanda yanzu ake so yanzu yanzu ka ta shi tu ne pourras pas faire ça donc il faut toujours attendre à ce que la connexion puisse s'établir d'abord pour faire les activités. Mhm. Sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact comme ça, euh, euh, un très grand impact qui est direct, quoi. Mhm. Mais ça retarde quand même pour les activités, ça retarde beaucoup. Il y a ça qui Déjà, Moussa, il y a Internet, comment en Niger, <laughs> le prochain point qu'on va soulever, mais en attendant, on va laisser plutôt la place aux jeunes filles du studio Kalangu avec euh, Filenana Swandaketema, la rubrique rose. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie rubrique euh, recette spéciale Ramadan, je vais vous proposer comment est-ce que moi je fais euh, ma tisane euh, pour pour le jeûne. Déjà, si vous suivez bien le programme du studio Kalango, nous avons interviewé un nutritionniste qui nous a parlé du fait que c'est important de prendre des boissons chaudes pour la rupture. Alors voilà ma façon de faire la tisane que je vais vous proposer. Déjà pour le faire, on a besoin de clous de girofle, du kinkeliba, de la menthe, du citronnelle, de la cannelle, du gingembre, une gousse de vanille ou bien du sucre vanillé, du citron et du basilic. On aurait aussi besoin de l'ananas ou du dos d'ananas. Ne les jetez plus, c'est très utile déjà pour la bonne odeur et le goût sucré. Maintenant, pour la préparation, vous pouvez euh, prendre tous ces ingrédients, les laver proprement et ça dépend parmi ces ingrédients. Par exemple, euh, euh, le gingembre, il peut être sec, donc ça, pas besoin de le laver. La menthe aussi peut être sec car on la conserve, vu que ce n'est pas pendant toutes les saisons qu'on peut l'avoir. Les clous de girofle sont déjà secs, mais ça serait bien de revérifier parce que souvent il y a du sable dedans, bien que le sable sera dissous, mais vaut mieux les laver proprement. Et le citronnelle surtout, même si c'est sec, il faut les laver pour un peu dépoussiérer et tout. Quand on va euh, mettre au propre tous ces ingrédients, on peut préparer euh, déjà notre petit thermos. On peut mettre tous ces ingrédients dedans. Soit, il y a deux façons de faire. On peut soit les infuser, genre on met tous ces mélanges-là et euh, on met de l'eau chaude bien bouillante, on ferme pendant une heure ou trente minutes et euh, l'odeur euh, déjà va bien se dégager, tout va être bien infusé et vous pouvez ajouter votre thé euh, que vous voulez, un thé à votre goût dans cette préparation, sucrée et servir. Soit vous prenez tout ce mélange-là de ces ingrédients que vous allez faire bouillir dans une marmite pendant à peu près une heure de temps, pas plus. Déjà, vous allez sentir l'odeur se dégager et tout, surtout avec l'ananas que vous allez mettre dedans. Vous pouvez aussi servir et sucrer et c'est prêt pour une très bonne rupture. Bye bye mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada inda a Ayonans filin jami'ar Abdu Mummuni muke ci gaba da tattauna kan maudu'in mu les perturbations de la fourniture d'internet au Niger et son impact sur les activités des jeunes. Deuxième partie de notre fada, nous allons parler de la situation actuelle de l'internet. S'est-elle améliorée ou pas? Zamfara de da kai Ibrahim ko da yake kamun mu je hutu ka fara dauko zancen nan. ya situation ke internet a yanzu? Ko dama internet kin ta Niger? Bon, internet ana iya ce kama an samu par rapport parce que euh, dans les années à passer on était aux gens 2G nous 3G 4G mais ça a amélioré un peu mais personnellement moi je crois qu'on n'a pas la 4G au Niger contrairement à d'autres dans d'autres pays où quand on parle de la 4G on sent vraiment euh, l'internet est à grande vitesse nanga tu peux tu peux même pour publier simple texte à Kangabis Facebook parfois tu vois ça devrait faire flip, un clin d'œil, mais ça va prendre du temps. Euh, Son non, euh, Mina tu vas mettre une vidéo ou des photos. Vous voyez, non Donc, ensemble, Chikaba Kadang, mais par rapport effectivement da yanzu da ake ganin kamar internet kin ta danyi sauki ya kun yi santir kin amelioration koko oh, yanzu an yi santir amelioration kadan parce que kwanacin bayan nan da an kace cable ya, ya abun tu peux faire kaman awa biyu awa uku baka da internet mhm. ko kadan ma Donc maintenant, tu vois, ça part, ça revient. Tu peux faire 5 minutes, ko 2 minutes, babu internet, après il y a tu peux, tu peux essayer de publier un truc, ça va prendre 5-6 minutes avant qu'il y ait publié. Donc ça, on peut dire que an samu an rike kwanaki yana daukan beaucoup plus de quoi quoi quoi quoi sai que gani parfois c'est même pas l'internet qui est parti c'est le réseau même qui est parti donc sans réseau est-ce qu'on peut parler de d'internet aussi mm, mm. voilà na gode ibrahim sai gare ka mamadu mamadu kai yaya kake ganin situation ke internet kwanakin baya da kuma yanzu ta dan gyaru ko kuma da sauki dai to <laughs> eh quand il avait, il avait commencé à parler de l'évolution de, de, la connexion au Niger, de GPRS à 2G, 3G, ok, à 4G. Mais euh, en toute sincérité, la 4G, on a acquis ko DG na franchement et c'est insultant wanga comment on, appelle ça une fracture vraiment il y a une fracture vraiment entre euh, nos pays Africain et, le pays européen. avec la 3G même, tu es censé regarder en streaming des vidéos de très haute qualité et sans perte de, euh, sans perte de données. malheureusement, euh, je t'assure, même si c'est une image de, de 175 kilooctets que tu veux télécharger, c'est vraiment une casse-tête. Ça va te prendre beaucoup de temps avant de télécharger ça. Oui, il y a une amélioration par rapport à quelques jours où il n'y avait pratiquement pas la connexion, c'est vrai. Mais quand même, jusque-là, la connexion, c'est de la merde, hein, franchement. Oui, parce que ce que tu as l'habitude de faire, tu ne peux plus faire ça. Imagine, hein, si même pour accéder à, à, une page Facebook ou à une autre page d'un site web, tu dois consacrer beaucoup plus de temps que tu as l'habitude de consacrer. Ça n'a pas de sens, franchement imagine où suna yi direct bisa quand mon page in su Instagram, Facebook ou TikTok. Tu mhm. ne Tu peux pas faire un direct. Tu peux pas parce que dès que tu lances le direct, ça va couper parce que y a pas la, la, la connexion elle n'est pas forte. Donc vous voyez, imagine vous m'engagez pour faire un direct lors d'un événement. Moi j'ai pris votre argent et que n'y a, y a pas assez de connexion pour faire ce, ce travail. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc je pense que c'est Ankali. justement, ibrahim ya kake ganin avenir kin aikin nan naka na influenceur avec oh. une internet Ok, non, moi je pense que c'est un métier comme tous les autres, c'est un, un métier d'avenir aussi. Compte tenu des défis et les perturbations je, je, je liées à l'Internet ma ça ma parce que il faut que faut qu'on ait un appel à, nos dirigeants nos dirigeants sont en contact direct avec ces, entreprises avec ces sociétés qui nous vendent euh, de l'internet je pense que c'est c'est au gouvernement d'imposer réellement quand vous dites que vous avez la 4G que ça soit réellement la 4G quand vous dites que vous êtes à au niveau de la 5G, que ça soit la 5G. Là, tant que c'est des standards qui sont respectés, je pense qu'on aura, on aura l'Internet très bien. Mais mm. si, si, si, comme les, sociétés là, ça ne ça va jamais améliorer. peut-être à côté sait pas. Mais je pense que comme tu y imposé ma toute société vraiment quand, de, de, respecter leurs paroles si vous si vous avez la 4G que ça soit la 4G mhm. donc c'est un peu ça là ça va nous permettre ça va nous aider à faire bien notre travail à, à, à se sentir à, quand tu achètes de l'internet, tu sais que tu as la 4G et tu peux bien faire ton, mm. ton, travail. Donc c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est mon appel au, gouvernement au fait quoi. comment tu vois l'avenir de ces métiers que tu fais compte tenu des défis posés par les perturbations d'internet? L'évolution de la technologie euh, ou la, la technologie elle-même, c'est incontournable. Surtout euh, à la, euh, à cette heure du XXIe siècle. Vraiment, il n'y a même pas de débat par rapport à ça. C'est vraiment un métier d'avenir. ok Bien sûr, on est en retard, mais c'est un métier d'avenir. Euh, je veux un peu revenir sur ce que euh, DJ Metinga a dit concernant déjà la fourniture de la connexion. Si, les, agences actuelles ou les opérateurs téléphoniques actuels qui fournissent cette connexion sont incapables de le faire. Mais on n'a qu'à faire appel à d'autres entreprises. je vous donne juste un exemple. Récemment, euh, bon, il y avait une note qui est sortie pour interdire euh, l'utilisation des, des terminaux Starlink. Mhm. Et les Starlink proposent des connexions beaucoup plus rapides et c'est satellitaire. Et jusqu'à un début de 300 mégabits par qu'on peut avoir. Donc imaginez l'utilisation que nous pouvons faire. Il y en a dans d'autres pays, on l'utilise. Même au Niger, par exemple, ceux qui sont dans les déserts utilisent ça parce qu'il eh, n'y a pas, eh, les, opérateurs téléphoniques tels que eh, Orange, RTL, il n'y en a pas. Donc ils sont obligés d'utiliser avec ça. Mais ils ont interdit ça ici au Niger. Mais heureusement, ça fait pas un mois de cela, j'ai vu l'équipe de Starlink ici au Niger euh, on espère vraiment qu'ils vont essayer d'arranger les choses pour qu'ils puissent nous proposer mhm. vraiment de la fourniture Internet et puis à un prix abordable. Voilà les amis, on va faire une petite pause en musique et on se retrouve juste après. On laisse à Kader Chombiano le choix, notre technicien de la FADA. zuwa ba bata lokaci rabin awa muyi magana da fari in ki sallama ki kula ni ma na miki ne ko ko ban yi ba da na ankara sai na ga ita ma bana mata ganin na yi kuma zan so ki ni gida je in yan uwa to su gani in kan su musamman saya. kudin ki zalai kwako mimi nesa safia raba koro musamfalala wayo faɗa min in baki sona in san ya zan da in san inda zan kama da dai so ne ke bani kauna na ji wasu sun ce muna kama ke ma kin ji yarin ya faɗa kin san ita soyayya kauna Ke sawa abi ya zuciya karki karne dan Allah kula wayo ki na Wala mes jeunes, les perturbations de la fourniture d'internet au Niger et son impact sur les activités des jeunes. Troisième et dernière partie de notre fada, nous allons parler de la façon dont vous vous êtes débrouillé lors de ces perturbations. Saïd, da kai zani fara wannan jin kyajiya. A kwacewa fanse kuma solution a lokacin da wannan matsalar ta taso. In ka buga ka buga ka ga internet kin takiya. Ya kai tashi kake ka baro gida ka fito neman internet ko kuma. Eh, ajiya, kama eh, si le problème est général ba abin da mutum ke zuwa yi. Mhm. Mais je vous assure, j'ai l'habitude, si j'active par exemple sur RTL, eux que ça ne fonctionne pas, j'enlève, je retourne sur euh, une de modem Orange. Je mets la connexion sur Orange, voir si ça va marcher. Zaman, euh, c'est zéro. Et moi, euh, franchement, bien que il y a une note qui interdit l'utilisation de, de, moi j'ai vraiment l'intention, moi là, voilà, d'acheter ça pour utiliser vraiment la fourniture Internet. Franchement, parce que je trouve que maintenant là, c'est la seule solution nous reste. Les autres réseaux, là, vraiment, c'est Chaque jour, c'est du pur en pire. C'est comme si les gens ne sont même pas conscients du problème, jusqu'à peut-être avoir euh, le réflexe de dire d'arranger. Bah, a ni la seule solution, moi, je suis en train de chercher de l'argent, vraiment, pour aller proposer ça. Maintenant, après, quand je vis ça, vraiment, euh, j'étais très content de voir l'équipe de Sterling au Niger en pensant vraiment qu'il y aura la l'amélioration. Asana, à quoi amélioration, franchement. Toi Ibrahim Kaifa, qu'est-ce qui t'a le plus inquiété pendant ces perturbations-là Ah, tashi hankali ne za a ce ma parce que voilà, imagine cikin abun abunda, kike samu wasu kudade cikin abun da kike samu wasu abubuwa dan ki ruwa makanci asiri a ce abun nan ba ta nan gaye kwarai tu vas t'inquiéter forcément mais kin san quand l'internet ça, ça, ça, ça, ne marchait pas bien, il y a des endroits où qui pas un internet. Soit de modem, soit de wifi donc parfois on profite <laughs> on va le dire hein. tu vois là-bas ils ont ils ont l'internet on profite on fait réellement mhm. nos, nos téléchargements ou nos publications malgré que le grand public n'est pas connecté même si tu fais une publication ça va pas prendre parce qu'il y a mafi yawa mutane connecté mhm. mais ça nous a pas empêché quand même de continuer de travailler en, en espérant que les choses vont s'améliorer et changer et le moment où l'internet est revenu venu, on a continué aisément à Kanga. Mais je pense que c'est des trucs qu'on rencontre chaque fois. À chaque fois, bah, internet, Donc, c'est dans nos têtes, donc on fait avec quoi. Espérons que les choses vont, vont, vont, vont s'améliorer très bientôt. Ibrahim, et conclusion de question, Kamini. À quel point Internet est importante dans ta vie euh, Dans une année, Internet, Cameroun, Chane. Avant, quand il n'y avait pas Internet, ou le moment où ça n'a ça, ça pas pris d'ampleur, Basta, on s'en fout. Chacun fait sa vie, il n'y avait pas trop de WhatsApp, il n'y avait pas trop de Facebook. Tu t'inquiétais même pas. Mais maintenant, c'est devenu comme, euh, je ne sais pas, <laughs> entre guillemets, euh, voilà. Indispensable. Euh, tu, vois, non, on, est, on fait avec. On fait avec. Moi, le portable est toujours avec moi. Je dors, je me réveille avec. parfois, je me réveille directement, j'active je, la connexion pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je, peux dire que l'Internet fait partie de ma vie. Mhm. Ça fait partie de ma vie. Et à deux jours sans Internet, toi-même, tu vas sentir que il y a quelque chose qui manque en toi, en fait, quoi. C'est l'Internet. <laughs> Attention à l'addiction. Ah oui! <laughs> Voilà. <laughs> Bah, en conclusion, à quel point Internet est important dans ta vie euh, moi je suis informaticien, je suis programmeur, et je suis aussi formateur. Donc euh, pratiquement toutes mes activités que je j'effectue, je le fais grâce à l'Internet. Donc euh, si aujourd'hui il y a manque d'Internet, je crois que euh, je suis et je serai dans des, dans sérieux problèmes. Franchement, je serai dans des sérieux problèmes. Je fais des cours en ligne, même ma publicité que je fais pour les achats, je le fais en ligne et je ne peux pas rester sans connexion mon appareil est toujours connecté. Je n'éteins même pas ça. Même quand je veux dormir, moi, je n'éteins pas la connexion. Je fais mes activités rien qu'avec la connexion. Donc quand il n'y avait pas la connexion, vraiment, c'est un souci. Et c'est vraiment une perte. Je suis aussi père de famille, donc euh, c'est aussi euh, une partie, une partie, une famille qui, qui manque de quoi, à, de quoi gagner. Quoi. Donc voyez, donc c'est vraiment très important. C'est devenu une partie intégrante euh, de ma propre personne. Euh, j'ai fait toutes mes activités pratiquement, que ce soit la conception, la programmation, je fais ça et l'amélioration et les cours que je prends à ligne, je les fais toujours avec la connexion. Et quand il n'y a pas la connexion, bon, écoutez, imaginez. Ah, C'est désastreux. Merci à vous. Avant de clôturer, nous allons accueillir Seino 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir à vous et bienvenue dans la chronique Tous à la FADA. Nous sommes en avril, actualité oblige. Nous allons parler du poisson d'avril. Qu'est-ce que c'est qu'un poisson d'avril Quelle est son origine Quel est son impact sur les individus Restez avec nous dans la FADA pour avoir des éléments de réponse à ces questions. Le poisson d'avril, cette farce annuelle qui se déroule le 1er avril, est une tradition largement observée dans de nombreux pays à travers le monde. Mais d'où vient cette coutume Comment est-elle née pour comprendre les origines du poisson d'avril, il faut remonter dans le temps jusqu'au XVIe siècle en France. À cette époque, le nouvel an était célébré le 1er avril. Mais en 1564, le roi Charles IX décida de placer la date du nouvel an au 1er janvier, conformément au calendrier grégorien nouvellement instauré. Cependant, Certains Français ont refusé d'accepter ce changement et ont continué à célébrer le nouvel an le 1er avril. Ces traditionalistes ont été ridiculisés et moqués par ceux qui ont accepté le nouveau calendrier. Ils étaient souvent victimes de farces et de canulars, notamment en leur offrant de faux cadeaux ou en les invitant à des fêtes qui n'existaient pas. L'une des plaisanteries les plus courantes consistait à offrir des faux poissons, d'où la naissance de la tradition du poisson d'avril. L'origine exacte de l'utilisation du poisson d'avril dans cette tradition est un peu floue, mais certains suggèrent que cela pourrait être lié au fait que le poisson était associé à la période du carême, le carême chrétien bien sûr, qui se terminait souvent autour du 1er avril. Les poissons étaient alors offerts comme symbole de célébration de la fin, du carême et du retour à une alimentation normale. Au fil des siècles, la tradition du poisson d'avril s'est répandue à travers l'Europe et au-delà, prenant différentes formes selon les cultures et les pays. En Angleterre, par exemple, la journée est parfois appelée April Fool's Day, le jour des fous d'avril, et les farces peuvent impliquer une variété de blagues pas seulement celles impliquant des poissons. Aux États-Unis, le poisson d'avril est également largement observé, avec des médias et des entreprises participant souvent en publiant des fausses informations ou en proposant des promotions farfelues. C'est exactement le même cas au Niger. Cette année, le poisson d'avril sur le prix du riz a presque convaincu tout le monde, avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Aujourd'hui, le poisson d'avril est une occasion de se détendre, de rire et de partager des moments joyeux avec nos proches. C'est une tradition qui rappelle que même dans notre monde souvent sérieux et stressant, il est important de ne pas se prendre trop au sérieux et de prendre le temps de s'amuser. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la FADA. On se prend demain pour la suite. Bonne rupture de gêne à tous. Merci Seno haka ne ƴan uwa matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na mu haɗa fada na barecin wannan ranar Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie de Mamadou Saïdou Labo. Il est programmeur, informaticien, entrepreneur. Il fait du commerce en ligne. Nous étions aussi en compagnie de Ibrahim, au micro de Ibrahim, que vous connaissez sûrement sous DJ Maitinga. Tare da su mun tattauna akan matsalolin da internet ta fuskanta kwanakin baya a Niger, musamman ma da suka shafi su. yaya suka fuskanci waɗannan matsalolin. Internet ta gyaru shekaru ko kuma da saura har yanzu. A nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai mu da rai inda za mu sake dawo muku da wannan jigon amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu.